forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, c'est Seigneur Yubakaka. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4, Amphani FM, Sam, Kwarategi FM 90.9 et Challenge FM 96.6. Vous pouvez aussi nous suivre dans l'ensemble des chefs-lieux des régions et dans plus d'une vingtaine de départements grâce à notre réseau de 34 radios partenaires du studio Kalangou notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Le Niger est-il en démocratie ou en transition démocratique C'est notre thématique du jour dans notre émission quotidienne, le forum du Studio Kalangu. Comme dans beaucoup de pays d'Afrique, l'avènement de la démocratie au Niger a suscité un grand enthousiasme le Niger, après la conférence de la Bolle de juin 1990, a connu le vent des démocraties importées qui ont soufflé sur le continent noir, nonobstant l'insuffisance de bonnes bases socio-culturelles ou du moins les tares faisant obstacle pour le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple, pour reprendre les mots du président américain Abraham Lincoln. Après presque trois décennies de vie démocratique, comment se présente l'exercice de la démocratie au Niger Il s'agit notamment de voir comment Comment ce terme noble, tant sur la traduction que dans le fond, connaît tant de difficultés de compréhension par le peuple qui pourtant est censé être le porte-flambeau. Le concept de démocratie théoriquement semble à tout égard banal à appréhender, mais sa mise en œuvre est rarement un long fleuve tranquille, tant les difficultés à cette application sont nombreuses. La démocratie pour beaucoup de personnes au Niger se limite seulement à l'organisation des élections caractérisées par le vote des citoyens. Or, les élections sont sans aucun doute un élément constitutif de la démocratie, mais quand ce dernier se fait par la L'achat de conscience, le trucage et la tricherie. Il ne s'agit alors plus de démocratie, mais plutôt d'une chose, un mélange. Mais au Niger, les hommes politiques, avec leur viennent de partis politiques, croit faire la démocratie. Mais de quel genre de démocratie s'agit-il Nous tenterons dans ce forum d'énumérer les obstacles qui ont empêché notre jeune démocratie d'avancer, la conception de la démocratie chez les hommes d'État, les penseurs et les citoyens ordinaires, qui donnent du sens à la démocratie, les impératifs pour la vie démocratique, entre autres points à aborder dans ce studio. Pour débattre, nous avons comme invité Maman Sani Adamou, acteur de la société civile. Maman Sani, bonsoir. Bonsoir. Notre invité, c'est M. Idi Adamou, acteur politique, membre du bureau politique national du MNSD Nassara. M. Idi Adamou, bonsoir. Bonsoir. Nous avons un troisième invité que nous attendons incessamment, M. Tahiru Gimba, président du parti Modèle Maekata. Monsieur, Messieurs, bienvenue à ce forum du studio Kalango. Monsieur Mamassani Adamou, qu'est-ce que la démocratie Avant de répondre à votre question, je dirais aussi que je suis à la fois acteur politique et, acteur de la société Alors, euh, qu'est-ce que c'est la démocratie C'est très difficile à, dire, c'est un sujet bateau. Disons que, pour faire bref, euh, on peut dire que c'est la démocratie, c'est une conception des relations au sein d'une euh, société qui voudrait que euh, ce soit le peuple, c'est-à-dire euh, qui soit l'artisan, si on s'en tient à son origine euh, grecque, c'est-à-dire pouvoir du peuple. Alors, ce mot pouvoir du peuple-là a été interprété de multiples façons. La conception inaugurale, disons initiale de la démocratie, c'est le pouvoir des, dans les cités grecques le peuple qui se rassemble à l'Agora et qui élaborait des lois. Tous les individus se valaient. C'est pour ça qu'il n'y avait même pas d'élection. On désignait. C'était un tirage au sort. Pour dire que les gens se valent. Alors, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle démocratie directe. Cette expression-là a été oubliée même en Europe et pendant près de 2000 ans, tous les régimes qu'on a connus en Europe ont toujours détesté ce régime démocratique. Contrairement à ce qu'on pense, euh, la démocratie n'était pas aussi bien accueillie, même, dans en, Europe. même en Europe. Donc, euh, il a fallu 2000 ans après, il a fallu maintenant que les révolutions françaises, euh, la guerre d'indépendance aux États-Unis, pour que ce mot redevienne fréquentable. Et même là, avec beaucoup de, de nuances, parce qu'au fond, les révolutions même françaises étaient beaucoup plus en faveur d'une république c'est-à-dire du fait que les gens aient des droits, euh, ils contestaient le fait que les gens aient des droits du fait de leur naissance, et donc les révolutions étaient contre cela. Mais il y avait des révolutionnaires qui étaient en faveur de la démocratie, pas tous. Donc même dans la Révolution française, on n'était pas favorable à la démocratie. La démocratie s'est imposée par la suite. Et lorsque euh, les mouvements euh, socialistes, les mouvements de gauche se sont imposés, c'est en ce moment que ce terme a commencé à, être euh, utilisé pour finalement être le label des dirigeants des pays occidentaux. Ils ont commencé à en parler, le monde libre, démocratique, etc., contre le monde communiste, etc. Donc il y a un glissement de sens en vérité. C'est-à-dire le terme originel même, démocratique, a toujours été récusé, y compris dans les constitutions américaines c'était toujours la République. On se, on se méfiait du danger de la démocratie du danger de l'irruption du peuple. Si on, fait ce, rappel, c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'ambiguïté qui ont entaché euh, cette expérience. Et nous, ça nous est venu ici, euh, cette ambiguïté, du fait que la démocratie euh, en Afrique est venue sur le fond de deux problèmes l'épuisement de notre modèle de développement depuis 60, avec la crise de la dette, et puis avec l'effondrement du bloc de l'Est, les forces gagnantes ont jugé qu'il faut établir, non seulement libéraliser l'économie, mais accompagner cette libéralisation de libéralisation politique, comme remède à la crise. D'accord. On, s'arrête à ce petit rappel euh, ah, historique. historique justement de la démocratie. Idée Adamou, est-ce que vous avez une des définition plus simplifiée de la démocratie pour vous Quand nous prenons ce sujet, on a deux concepts. On va partager le concept démocratie et le concept transition. Il faut ici définir les deux concepts. Le concept démocratie, quand nous le décryptons, en tout cas à travers le Robert illustré, grosso modo, démocratie signifie la forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. Cependant, lorsqu'on essaie un peu de décortiquer ce concept, alors euh, on a plusieurs formes de démocratie. Tout à l'heure, mon collègue l'avait dit de l'ordre. D'abord, nous prenons la démocratie directe dont il a parlé. Cette démocratie directe se définit par le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et il l'a dit à travers euh, un illustre homme, Abraham Lincoln. Petit b, nous avons la démocratie participative. Ici, le peuple participe à la conception et aux décisions. Et même le peuple se concerte. Petit c, nous avons la démocratie représentative. Ici, le peuple se fait représenter par des élus directs, élus directs, entendez, élus directs par le président de la République, les députés, les conseillers. Il y a également les élus indirects, qui sont les maires, et les autres présidents de conseil, parce qu'eux, ils sont nommés par des élus qui sont les conseillers. Enfin, quatrièmement, nous avons la démocratie populaire. Et c'est un régime à parti unique d'inspiration marxiste, donc qui est actuellement supprimé par la plupart dans les années 1990 avec le vent des conférences en Afrique. Vous savez, quand nous prenons le cas du Niger, à un moment, on a créé le MNSD, parti État. Alors c'était une conception de vouloir créer une démocratie populaire, c'est-à-dire que ça regroupe tout le monde. Mais avec le sommet de la Bolle, comme vous l'avez dit, il y avait eu l'appel de Mitterrand qui a assujetti l'aide au développement à la démocratie. Voilà en fait la démocratie. Maintenant, quand nous prenons cette démocratie, vous savez, pour que la démocratie soit réellement un objet utile pour le pays, il faut que, au niveau des textes juridiques, cette démocratie ait sa place. C'est ainsi que quand vous prenez la Constitution, surtout dans son préambule, il y a une résolution à travers laquelle on fait remarquer la démocratie. Il y a enfin, au niveau de cette Constitution, les articles 3 et 4. Quand vous lisez l'article 3 et l'article 4, vous savez que le Niger s'est fait un État démocratique parce que ici la souveraineté appartient au, peuple. Ah. et aucun individu ne peut se l'arroger. La Donc la transition, c'est quoi cette transition démocratique Alors la transition démocratique, quand nous la prenons, le terme transition, donc toujours selon le Robert que j'ai lu, c'est une manière de passer de l'expression d'une idée à une autre en les reliant dans les discours. C'est aussi le passage d'un État à un autre, en général lent mais aussi graduel. C'est le changement évolutif d'une situation à une autre. Donc, aujourd'hui, pour répondre directement à votre question, on peut dire que réellement, le Niger est en démocratie. Parce que le Niger organise des élections, le Niger choisit ses représentants, donc nous sommes en démocratie. Nous ne sommes plus en transition démocratique. Nous sommes à fond dans la démocratie. D'accord. Tahiru Gimba, notre troisième invité, vient de nous rejoindre dans ce studio. Monsieur Tahiru bonsoir. Bonsoir. Vous avez écouté les différentes définitions données par les autres invités sur la démocratie. Votre point de vue Je pense qu'il faut aller directement au but. Comme l'a dit tantôt Sani, euh, même en Europe, quand ce mot est arrivé, ça secoue un peu ceux qui sont habitués ou ceux qui sont à la tête des États ou des, pouvoirs, à fortiori en Afrique. Donc nous, nous sommes réellement. C'est maintenant peut-être que nous allons entamer notre transition. Parce que là, on ne l'a pas fait. Je ne veux pas revenir sur la définition de la démocratie. Tout le monde sait ce que c'est, tout le monde a compris ce qu'ils ont dit. C'est assez éloquent, c'est assez lucide à, à peu près tout ce que tout le monde peut penser de ce mot-là. Mais en réalité, quand on prend le cas du Niger, il faut aller directement à, je vous réponds directement, pour vous dire, peut-être j'ai dit que nous allons entamer, parce que nous ne sommes même pas là-dedans, que nous allons entamer un jour la vraie transition démocratique. Euh, regardez dans quoi nous sommes à la date d'aujourd'hui au Niger. Donc on ne peut même pas dire que toutes ces notions de démocratie, on les a, on les a intégrées notre, dans notre, quotidien. C'est fini, on a même oublié, même la conférence nationale, tout ce qu'elle a enfanté, tout est oublié, tout est classé aux archives. Donc réellement, je pense que peut-être qu'on va redémarrer, on va aller sur de nouvelles bases encore, parce que les bases sur lesquelles on est parti de 90 à maintenant, elles sont fausses. À l'évidence, tout le monde est là, euh, chacun voit. On a essayé de décoller un peu, parce que jusqu'à aujourd'hui, aucun chef d'État élu n'a passé le pouvoir à un autre élu et qu'il ait accepté de partir. Et je ne pense pas qu'on soit de l'état d'esprit encore de rêver ça en 2021 ou après. On a encore du chemin. Parce que quand on voit déjà, il en a eu des avancées notables hein, à un moment ah donné. Le CNDP a été mis en place. Maintenant, il est sabordé. La démocratie, c'est comme les religions. Tous ceux qui ont un pouvoir d'État se méfient des religieux, quels qu'ils soient. Parce que eux aussi vont venir avec des discours. Dieu a dit, de faire, de ne faire ou de ne pas faire. Et c'est comme ça la démocratie. Donc on n'a même pas entamé la transition. Au fait, tout ce qui a été dit de la conférence à maintenant a été balayé du revers de la main depuis maintenant sept ans. On est maintenant dans un régime présidentiel de fait, tout le monde le sent. Donc c'est un régime. Est, on est dans un régime semi-présidentiel actuellement. Non, c'est un présidentiel. Écoutez, écoutez euh, on n'a pas besoin d'en débattre. Le président de la République est de quel parti Le Premier ministre est de quel parti Le président de l'Assemblée est de quel parti Tous leurs alliés là, du Kamamine, c'est pas, ils ne sont pas associés à la réalité du, du, pouvoir. Ils ne sont même pas dans, la phase euh, transition démocratique. On a reculé d'un quart du siècle ou de deux quarts, ou d'un demi-siècle. D'accord, on va revenir à cela dans, voilà, donc quelques on pour l'instant, tout est voué à l'échec de la conférence à menace, c'est un échec palpant. Dans tous les cas, tous les acteurs politiques partagent, doivent partager cet échec. Absolument, absolument, absolument. D'accord. Je reviendrai à vous. Maman Sani, euh, quelles sont les règles qui fondent la démocratie Bon, euh, je voudrais quand même, quand on dit démocratie, là, euh, j'ai fait ce rappel, c'est pas, c'est pas pour le plaisir de, le rappeler. Mais c'est pour dire qu'il y a une ambiguïté dès le départ chez nous. Ce qu'on appelle démocratie ici, c'est la démocratie représentative. La démocratie représentative libérale, c'est-à-dire occidentale, celle des pays capitalistes. Euh, cette démocratie-là, on l'appelle démocratie depuis les années, euh, depuis l'après-guerre en vérité. Mais c'est le système représentatif. Au départ, tous ces gens-là, y compris dans la Constitution américaine, ont se méfiait de la démocratie parce que c'est le pouvoir du peuple. Mais quand ils ont vu l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de ça, on a commencé à avoir même des partis démocratiques aux États-Unis. Donc, ce que nous, nous voulons, euh, nous avons essayé d'appliquer à partir de 90, c'est la démocratie représentative libérale, dans laquelle il y a une séparation des pouvoirs, ça garantit un pluralisme, c'est-à-dire que c'est des partis différents, avec des opinions différentes, avec des projets différents, qui sont censés compétir pour le pouvoir. Il y a une séparation de pouvoir, il y a des élections au suffrage universel, et donc les partis concourent à l'expression du suffrage, choisissent les, les, et les promeuvent, font le débat politique. En règle générale, voilà ce que ça signifie. Dans les faits, qu'est-ce que nous, nous avons retenu de ça Nous avons retenu une caricature de ce système de démocratie représentative. C'est quoi que j'appelle caricature C'est-à-dire que nous avons un semblant d'élection régulière, un semblant d'élection régulière où il y a une compétition avec, entre acteurs. Mais si vous demandez autour de quoi, la question se pose autour de projets de société, lesquels Est-ce que vous avez au Niger des projets de société qui sont concurrents Non, il n'y a pas de projet de société. Parce que tous ceux qui se sont inscrits dans cette démocratie libérale sont d'accord avec l'optique de la Banque mondiale et du FMI, c'est-à-dire de continuer à faire gérer l'économie par le secteur privé. Nous n'avons pas encore des forces politiques qui disent, bon, écoutez, nous, même dans le système de la mondialisation actuelle, nous, nous voulons infléchir les règles du jeu pour que nous, nous soyons ceci. Et vous n'avez pas en opposition des forces qui vous disent, Bon, nous, on est contre cette manière de procéder. Ah on veut tel type de société. Donc, il n'y a pas un, choix de société, de projet de société qu'on propose aux Nigériens. On a des personnes, des personnalités qui, sont, qui se proposent aux Nigériens. Et pour combler ce manque de choix, parce que ça suppose aussi que les gens ont, été travaillés pour comprendre euh, qu'est-ce qu'on propose quel type d'agriculture il faut, quel type d'éducation il faut, quel type, quel modèle d'élevage de, de, il nous faut. On a remplacé ça par des choses simples. Votez pour moi, je vous donne de l'argent. Votez pour moi, je vous propose ceci. Votez pour moi parce que vous êtes de chez moi. Alors, tout ça euh, participe de ce qu'on appelle la caricature. Euh, la caricature. Parce qu'en vérité, ce n'est pas, le peuple n'a pas conscience qu'il est en train de faire quelque chose de décisif qui va impacter son avenir. Non, on l'a sollicité par des moyens les plus divers. Il a répondu. Et la preuve, c'est que euh, ceux qui, ont, qui sont élus ou qui se sont fait élire, ils considèrent qu'à partir du moment où ils ont battu campagne, ils ont distribué ce qu'ils ont distribué, ils s'en quittent. C'est le peuple qui exprime sa déception de voir que depuis les élections, plus personne ne lui a rendu visite, plus personne ne lui explique quoi que ce soit. Alors que, donc, vous voyez bien l'ambiguïté. Mais en votant, euh, est-ce que cela veut dire que justement le, peuple détient du moins toujours le pouvoir Oui, mais de manière symbolique, il détient le pouvoir parce qu'il part voter. Mais il, vote pour quoi Pour qui Pour quel projet de société on est censé choisir entre des manières de faire. Jusqu'à présent, dans les pays occidentaux, même chez eux, il faut le dire, hein, la démocratie représentative est en crise aujourd'hui. Mais au moins chez eux, on sait que tel type de parti qui proposent euh, de venir au pouvoir, ils sont différents parce que tout de suite on va voir les impôts. Est-ce qu'on augmente les impôts pour, euh, pour, pour l'entreprise Est-ce qu'on supprime des Est-ce qu'on donne des cadeaux fiscaux à l'entreprise Est-ce qu'il y a des, améliorations sur la situation sociale Selon ça, on trouve des partis de gauche favorables au progrès euh, social et des partis de droite favorables à la liberté de l'entreprise, etc. Mais concrètement, depuis qu'on fait des, élections au Niger, vous, trouvez cette configuration Non. Ce sur quoi on mobilise les gens, c'est autre chose. D'accord. Ça n'a rien à voir avec euh, euh, les exigences d'une démocratie libérale. C'est pour ça que la caricature de la démocratie libérale, là, c'est ça qu'on est en train de faire. On n'est pas en train de dire que démocratie, ça veut dire pouvoir du peuple. C'est le processus par lequel les Nigériens, par eux-mêmes, définissent trouve, élabore des, mécanismes consensuels pour dire on veut aller vers ça de manière souveraine, c'est ça la démocratisation. Ce n'est pas un ressort interne à nous, mais c'est une copie de ce que à l'extérieur on nous a dit c'est comme ça. Et ce que nous imitons là, ce que nous caricaturons, voilà les limites que ça a donné au bout de 21, 25 années d'exercice. De, de, D'accord. Adam ce qui m'amène à vous poser la question. Selon vous, quelle conception justement de la démocratie les hommes d'État d'abord ils ont, les penseurs et les citoyens ordinaires justement de la démocratie à ah, écouter Mamassani bon, aujourd'hui au Niger Nous avons dans un premier temps donné la définition, les définitions potentielles de la démocratie. Aujourd'hui, quand on me dit qu'au Niger, il n'y a pas de démocratie. Personnellement, je ne suis pas d'accord. Ah. Pourquoi ah Parce que autour de cette table, nous sommes réunis. Nous sommes réunis pour discuter de la démocratie. Et ici, la démocratie, ça veut dire que nous allons accepter les opinions contraires les uns des autres. Si je donne mon, mon avis, peut-être que Tahirou n'est pas d'accord avec mon avis, il va le détruire. Peut-être que Maman Sani ne sera pas d'accord avec mon avis, je vais le détruire etc. C'est ça l'autre conception de la démocratie. Aujourd'hui, il y a une multitude de partis politiques au Niger. C'est la démocratie qui a permis tout cela. Il y a une multitude d'associations, c'est contenu dans la Constitution. C'est la démocratie qui a permis tout ça. Il y a une multitude d'instances religieuses parce que notre démocratie, nous avons opté pour le pluralisme, c'est-à-dire que n'importe qui peut créer son association pourvu qu'il respecte les textes de la République. Aujourd'hui, nos élus, c'est nous qui les avons élus. C'est le peuple qui élit ses représentants. N'est-ce pas Est-ce qu'au Niger, on n'organise pas des élections On organise très bien des élections. Les partis qui compétissent au Niger, ils n'ont pas leur projet de société, ils n'ont pas leur programme de société, en tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous avons bel et bien un projet de société très bien réfléchi et ficelé. Et c'est ça que nous allons brandir à la population pour pouvoir, n'est-ce pas, demander leur suffrage. Donc, en fait, qu'on me dise que peut-être la démocratie est parfois en rude épreuve, je peux accepter ou ne pas l'accepter. Parce que tout simplement, la démocratie est un apprentissage. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il y a eu démocratie. Vous êtes d'accord qu'on est toujours en apprentissage Je suis très d'accord qu'on est on évolue. Tout à l'heure, dans la transition, je vous dis que c'est un contexte évolutif. Donc ça devrait évoluer. Ça devrait. C'est les hommes chargés d'animer la démocratie qui sont chargés, chargés n'est-ce pas, à ce que cette démocratie-là puisse évoluer. Vous pensez sincèrement qu'on a évolué aujourd'hui Nous pensons qu'on va évoluer. Parce qu'il y a des élections. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en train de nous exprimer. Aujourd'hui, le Niger est plein de, radios privées. Le Niger est plein de télévisions privées. Donc, l'apprentissage évolue progressivement. Peut-être que ça peut évoluer en dents de mais ça évolue dans tous les cas. D'accord. Ça va évoluer et ça évolue. Maintenant, je ne serai pas d'accord quand on me dit qu'il y a des problèmes à droite. Non, ne réveillons pas des problèmes. Nous sommes en apprentissage. De toute façon, la démocratie aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, elle est universelle. Elle est universelle. Donc, nous allons pouvoir choisir notre façon de gérer la démocratie. Et en Afrique et au Niger, il y avait la démocratie, même sans copier avec les autres, il y a l'arbre à palabre. Les gens se réunissent pour discuter. C'est ça la démocratie. Il ne faut pas qu'on ait une vision très rocambolesque de la, démocratie. de la démocratie et des comparaisons qui ne tiennent pas la route. Quand on me prend des comparaisons de France, des comparaisons des États-Unis par rapport au Niger, je ne l'admets pas. Mais pourtant, le Niger, on, a, importé la démocratie de, ces pays. On a universalisé, on a ah. universalisé la démocratie. la démocratie. Mais dans nos, dans nos États, même dans nos États traditionnels, il y avait la démocratie. N'est-ce pas il y avait, Les jugements se font démocratiquement. Donc, tu ne me dis pas qu'il n'y avait pas la loi à palabre, mais on me dira que la démocratie est universelle, je l'accepterai. Mais importer la démocratie, je ne peux pas l'accepter. Chacun a sa vision de la démocratie peut-être, mais la démocratie est universelle. Les citoyens nigériens ne sont pas exigeants par rapport aux acteurs politiques. Est-ce que euh, les acteurs politiques ne sont pas responsables du, du, du, modélage Parce que c'est comme si on a modélé les citoyens nigériens sur le fait d'aller voter uniquement et puis après voilà. Non, ce n'est pas vrai, s'il vous plaît. Aujourd'hui, si le peuple n'est pas d'accord avec quelque chose, est-ce que le peuple ne sort pas pour le dire Il n'y a pas eu de manifestations dans la rue. Et alors, c'est pas ça la démocratie C'est ça la démocratie. Moi, quand je ne suis pas. Vous voyez, en démocratie, il y a le, il y a le pouvoir et il y a l'opposition. Aujourd'hui, l'opposition sort, pour décrier des tares qui le remarquent. Le pouvoir prend en compte tout ce que le. C'est ça la démocratie. C'est accepter l'opinion de l'autre. D'accord. Même si cette opinion est contraire à, votre opinion. D'accord. Tahir Gimba, est-ce que le fait d'organiser des élections, le fait que les citoyens soient libres de s'exprimer, que ce soit à la radio, à la télé, sur les réseaux sociaux, suffit pour une démocratie Pas du tout, parce que. Qu'est-ce qu'il faut en plus Non, c'est-à-dire qu'en réalité, comme l'a dit euh, tantôt euh, Mamassani, on est parti emprunter un bobo qui ne sait pas à nos dimensions corporelles. Euh, parce que, euh, voyez-vous, on a fait du copier-coller. Automatiquement, c'est la constitution de la 5e République française qu'on a placardée en 90 là. Et nous ont dit que c'est ça qui est bon pour nous. Autant à l'indépendance, quand on arrivait à la veille de l'indépendance, il y avait des partis, il y avait du pluralisme déjà, il existait. Ça va, RDA, tout ce que vous voulez, il y avait au moins une quinzaine ou une dizaine de partis au Niger à l'indépendance. Ils ont dit non, non, non, pour que vous vous développez, il vous faut un seul parti unique, pour unir le pays, pour faire une nation, patati patata. On est à la 7 République aujourd'hui. Oui. Est-ce qu'on n'a pas adapté justement notre constitution aux réalités On est mal parti, je vous ai dit dès au départ. Ce n'est pas adapté à nos réalités, du tout. Du tout, parce que quand vous prenez. Mais on, va, euh, on va de coq à l'âne. Voilà des gens, eux, aujourd'hui, on peut dire 70 à 75 de leur, de leur population peuvent s'acheter, chacun peut s'acheter une miche de pain le matin. Mais ici, 99,99%, virgule encore 99%, <laughs> ne peut pas s'acheter 25 francs de galettes le matin. Et nous voulons prendre le même, le même dispositif, le planquer et planter au Niger pour dire voilà, nous sommes en démocratie, de grâce. La démocratie, euh, comme l'a dit Tantosani, c'est un mot qui résonne très fort. Et même sur le plan traditionnel, les États traditionnels avaient, y avait un système démocratique avant l'arrivée même de la, des colons certains, il y avait des royaumes, il y avait des sultanats, il y avait autre chose avant l'arrivée de tout ce monde-là, avant l'arrivée de, la colonisation. Mais ce qui s'est passé, c'est que, au fait, ce que nous nous prend le côté caricatural, comme l'a dit Sani, <laughs> pour en faire. Parce que euh, quelle est cette démocratie qui, fait que t'enfoncer Tu ne fais que t'appauvrir. Tu ne fais que devenir analphabète. Tu ne fais que, tu peux même pas te soigner. Tu ne peux pas manger à ta faim. Tu ne peux pas te loger. Tu ne peux même pas te déplacer c'est quelle démocratie ça Écoutez, le droit de l'homme, si on suit tranquillement, on sait que nous, nous sommes quand même, nous sommes égarés. L'histoire de des années 90, on a emprunté un train, un TGV, alors que nous, on n'avait même pas là une charrue qui bouge bien. Et on prend le TGV, 350 km h Et on a des charrues sans moteur. C'est ça qu'il fallait à notre système en 90. Réfléchir tranquillement. D'accord, on libéralise, on ne peut plus faire un parti unique puisque c'est un peu la mode, mais on est loin du concept euh, démocratique, même libéral. Parce qu'aujourd'hui, le, le, commun du mortel ne sait même pas ce que c'est la cause. 90% des Nigériens ignorent ce qui est contenu dans ce texte qu'on soumet à leur appréciation par référendum. On le dit simplement, c'est oui ou non. Bon, c'est oui ou non, et on dit, tout le monde dit, bon, hé, allez-y, dites oui. C'est tout, ça s'arrête là. Mais personne ne s'assoit, et comme l'a dit Sani, les partis politiques aujourd'hui, aucun parti politique, je mets quiconque à défi, ils n'expliquent, ils euh, même s'ils ont adopté ce type de concept démocratique occidental, mais aucun parti politique ne va vers le Bapel pour lui expliquer le fondement. Donc pas, les programmes. Ce n'est pas l'avantage justement des partis politiques. Non, non, non, non, de laisser les, les, les citoyens. C'est un danger parce qu'aujourd'hui, chaque fois qu'on finit un semblant d'élection, parce que c'est pas des vraies élections qu'on fait, mais nos, nos, toutes nos traditions ont été bâclées, nos élections sont un peu bâclées. On a eu une ou deux élections un peu plus ou moins propres depuis qu'on a commencé. Ah ok et, et <laughs> on fait du surplace. Ce qui fait que les peuples, en réalité, ils sont presque grugés. C'est après coup qu'ils se rendent compte. Parce qu'ils ne votent pas pour les programmes. On ne leur propose pas des programmes, des projets de société. Pourtant, récemment, on a eu des partis qui ont présenté des projets de société. Oh, j'en fais partie. on a proposé un programme au modèle Maïkata, aux élections présidentielles. Mais dès que tu finis ton discours, on dit, mais Miekao, qu'est-ce qu'il a amené pour partager Parce qu'au fait, les gens, les programmes les intéressent peu. On n'a même pas orienté les gens. Au fait, on dirait que cette démocratie est importée là, on dirait que c'est juste, c'est pour amuser un peu la galerie, pour permettre aux actionnaires de continuer à, pomper nos, richesses. Mais est-ce que ce ne sont pas les acteurs de la société civile et politique du moins qui ont habitué les citoyens à cette non, Non, non, non, non, non, non. Vous savez, euh, c'est fait de manière brutale. Quelle démocratie tu vas parler à quelqu'un qui a faim Quelle démocratie tu vas dire à quelqu'un qui, ne sait même pas, avec euh, quel, sur quel cahier, même pas un bic ou un crayon à son enfant pour écrire à l'école Quelle démocratie s'il va au dispensaire, et ne trouve pas un comprimé d'aspirine Quelle est cette démocratie où et tu as des drones exposés dans le pays, mais on nous attaque et on nous entretue. Non, d'accord. Écoutez, ça c'est loin de, l'idéal. D'accord. quels sont les obstacles qui ont empêché notre jeune démocratie d'avancer, même si déjà Ida Adamou disait qu'on a avancé Bon, en vérité, euh, on joue sur les mots. Hein. Euh, le véritable problème auquel nous sommes confrontés ici, c'est quoi C'est que on a commencé un processus. Euh, si on veut considérer qu'il s'agit d'une longue transition mhm. qu'on a enclenchée en 90 avec des hauts et des bas et avec beaucoup de recul en ce moment. Parce que pour moi, une démocratie véritable ne peut pas être dissociée du progrès social. C'est-à-dire que une démocratie avec des peuples analphabètes n'a pas de sens. Une démocratie avec des peuples affamés n'a pas de sens également. Une démocratie où les gens ne comprennent pas l'essentiel, mais ça ne va pas. Or, si on dit que la démocratie est universelle, c'est-à-dire que c'est l'exigence par tous les peuples du monde de prendre en charge leur destin qui est universel. Mais la forme dans laquelle ils font, mais ça, ça dépend des sociétés. Or, nous, qu'est-ce que nous avons pris comme étant le modèle En calquant le, le modèle français. D'abord, en oubliant que nous, avant la colonisation, le type de système politique que nous avons était très éloigné de ce qu'on appelle l'État-nation en Europe. Nous, on avait des États plurinationaux ou pluriethniques, si on veut. Ce n'était pas la même chose qu'un État, une nation. Après eh, les indépendances, qu'est-ce qu'on a voulu faire On a voulu reproduire ce modèle d'État-nation. On a vu que ça ne marche pas. De la même façon, le prototype de système représentatif, du modèle de démocratie représentative français, c'est ça qu'on a voulu caricaturer, dans tous les sens du terme. Même quand ils décrochent, ils font une cour constitutionnelle à côté. Le lendemain, on fait la même chose. On prend un médiateur là-bas et le lendemain, il y a un médiateur ici. C'est-à-dire donc, on pense que c'est ça qui fait notre progrès. Or, le progrès, c'est le fait, est-ce que le peuple se reconnaît dans nos institutions Jusqu'à présent, le peuple se reconnaît plus dans certaines institutions traditionnelles que dans nos institutions dites démocratiques. Alors, il y a problème. Il y a problème. Ça veut dire que ça ne s'est pas enraciné. Le système démocratique n'est donc pas une réalité vivante puisque le peuple trouve, que c'est quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas de lui, qui ne le concerne pas. Alors, il c'est ça le véritable obstacle. Et ça, veut dire qu'il faut réfléchir pour acclimater ce que nous appelons euh, démocratie, pour que ça réponde à notre environnement, que ça réponde aux besoins réellement de la population et que la population se retrouve là-dedans. Quand elle va se retrouver, en ce moment, elle va aller vite. Or, pour qu'elle se retrouve, il faut que l'État fasse ce qu'il doit faire en premier, c'est-à-dire s'occuper d'éduquer les gens, de créer les conditions pour que les gens puissent avoir des, activités à, eux, de créer les conditions pour que les gens puissent être soignés, de créer les conditions pour que les gens aient le potentiel pour devenir citoyens. Parce que ce, document, on te présente, on dit c'est la Constitution, tu ne sais pas ce que ça veut dire il y, a, combien de gens qui peuvent lire, comprendre et interpréter la Constitution Même pas 10% de la population. Alors il y a problème. il y a problème. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et le plus important, c'est le fait que on est en train de singer. On est en train de croire que c'est l'autre qui doit juger de notre degré d'avancement. Jusqu'à présent, quand tu vois les, les, les États africains, où le Niger ne fait pas exception à la règle, dès qu'ils font quelque chose, ils attendent que de l'extérieur on dise c'est bien. Mais une démocratie, une chose du peuple, c'est le peuple qui doit se reconnaître en lui que ça va. Or, sur certaines questions, vous allez voir que si l'extérieur dit que vous êtes bien, c'est que quelque part, vous êtes contre votre peuple. Si l'extérieur apprécie, c'est que quelque part, vous êtes dans la mauvaise direction, parce que vous plaisez plus à l'extérieur que vous. Et le second problème que je ici, c'est l'extraversion. Elle est à la fois intellectuelle, elle est à la fois économique, c'est-à-dire tout ce que nous faisons, c'est pour que l'autre qui est à l'extérieur soit content. Mais nous-mêmes, on ne voit pas pourquoi on va faire quelque chose. C'est pour nous qu'on le fait. On fait des institutions pour nous, pour notre peuple. Si notre peuple se retrouve dans ces institutions, eh bien, il n'y a pas de problème. À un intervalle régulier, on viendra regarder, mais dans notre marche en avant, comment, qu'est-ce qui nous freine Même si c'est nos valeurs culturelles, si elles deviennent désuètes, si elles deviennent un obstacle au progrès, on les met de côté, on, on y va. Qu'est-ce qu'on peut prendre à l'extérieur qui nous permette d'avancer plus vite Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire. Nous, nous prenons totalement ce qui est à l'extérieur. Mais ce n'est pas tout ce qui est à l'extérieur qui est applicable chez nous. D'accord. Voilà le problème. Monsieur Adamou, la particularité de notre démocratie, euh, ce que la séparation des pouvoirs, celle qu'a défendue Montesquieu, n'est que théorique. Avec la pratique actuelle lors des élections, est-ce possible de prétendre à une séparation des pouvoirs Avant de répondre à votre question, moi j'aimerais rappeler à l'auditoire que nous au Niger, dans les années, vous l'avez dit, 89 à 90, c'était le peuple dont Mamassani Sani fait partie, qui était sorti avec les étudiants, et les syndicats, pour réclamer la démocratie. Oui. Sani était acteur de la conférence nationale, à ce que je sache, en tant que président de l'ORDN. Il a contribué dans les commissions, certainement, à discuter autour de cette thématique démocratie. Donc, aujourd'hui, après la conférence nationale, nous, au Niger, on a opté pour la démocratie multipartite. Voilà les termes qui ont été discutés. Donc, après, au sortir de la conférence nationale, des textes ont été élaborés. Et ces textes-là, c'est eux qui ont ressurgi dans nos différentes lois. C'est eux qui, nous, qui ont ressurgi dans les textes fondamentaux, tels que la Constitution. Et la Constitution a pris un dispositif pour garantir la marche de cette démocratie. Je suis d'accord avec lui tout à l'heure quand il dit qu'il y a certaines forces transfuges qui empêchent souvent à la démocratie de marcher. On ne peut pas faire la démocratie souvent avec de l'autocratie. Ça c'est clair, il l'a dit. Ça je suis parfaitement d'accord avec lui. Il faut que les acteurs de cette démocratie-là fassent leur meilleur culpa pour pouvoir améliorer ce qui ne va pas. Je sais qu'il y a des problèmes. Il faut pouvoir améliorer. Et tout à l'heure, il l'a dit. Mais je me dis qu'aujourd'hui, au Niger, après la conférence nationale, nous sommes en plein dans la démocratie. Hein. Pour répondre à votre question, cette démocratie, à travers la Constitution, quand elle dit le pouvoir du peuple pour le peuple et, pour le peuple, et par le peuple, a prévu les institutions de la République. Les institutions de la République, c'est le gouvernement, avec le président de la République et, les ministres. Il y a le Parlement, l'Assemblée nationale, il y a le pouvoir judiciaire. À ma connaissance, je crois que toutes ces institutions aujourd'hui sont mises en place. Toutes ces institutions sont en train de travailler. Et dans la pratique, sont en train, et dans la pratique sont-elles indépendantes depuis 90 à aujourd'hui Je ne peux pas dire que il n'y a pas de problème. Je ne peux pas le dire. Et tout à l'heure, certains l'ont dit. C'est en marchant qu'on améliore sa démarche. Moi, je pense que et, quand nous sommes maintenant en fond dans la démocratie, les institutions installées, il faut faire en sorte, les acteurs des institutions doivent faire en sorte que ces institutions répondent aux déshydratats de la population. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais je ne suis pas d'accord à ce qu'on dise qu'au Niger, aujourd'hui, il n'y a pas la démocratie. Ça, la démocratie y est et de plein, parce que nous émettons, en tout cas nos préoccupations, dans la divergence. Souvent, peut-être, c'est dans cette divergence que va naître la convergence. D'accord. Espérons que la convergence naisse de la divergence. Merci. Tahir Gimba, certains ont pensé que pour donner un sens noble à la démocratie et mettre fin à la population des populations, il appartient alors aux intellectuels du pays de prendre le problème à bras le corps. Eh ben, ça, c'est une autre colle parce que euh, intellectuel, c'est un mot vague. Ah <laughs> parce qu'un bon commerçant euh, qui sait aller à Hong Kong euh, <laughs> faire tourner ses affaires, c'est un, intellectuel à sa façon. Oui. Euh, quelqu'un qui, un érudit ou un ouléma ou je sais pas, ou un bon euh, prêtre bien, bien instruit, c'est aussi un intellectuel. mais ben, parce que le mot intellectuel, mm, ça me paraît assez vague. Mais euh, je pense que la démocratie telle qu'elle est vécue, on n'a pas besoin, en réalité, c'est surtout retourner vers le peuple c'est en dehors du mot, euh, en deçà ou au-dessus du mot intellectuel, mais c'est surtout que les, les, tenants, les, les, élites, que l'État prenne des dispositions pour retourner vers ce peuple-là. Par exemple, depuis la conférence à aujourd'hui, il y a eu tellement de transitions et aucune n'a proposé deux projets de constitution au peuple. Aucune. C'est un groupe d'individus qui s'assoit là, là, ils disent conseil de consultatif de transition, tout ce que vous voulez, <laughs> depuis 90. Et ils, ils disent non, non, non, c'est vraiment, il faut mettre le Coran sur le semi-présidentiel, patati patata. Et ils nous amènent un papier tout fait, on dit au peuple, il faut voter oui ou non. Donc, déjà, c'est faussé. Donc, déjà, déjà, il y a un problème. Si c'est ça la démocratie occidentale même, il fallait donner le choix au peuple et leur expliquer. Prendre, même s'il faut six mois pour vulgariser expliquer les deux types de choix, ou même trois siennes. Même si on veut faire une monarchie, on dit, bon écoutez, euh, nous, pour, pour, qu'on aille vite, on va aller voir une monarchisation de notre pays. On s'entend, on va créer un empire ou je sais pas, ou un royaume, et on s'entend là-dessus. Si on veut faire donc euh, le, présidentiel, on dit le voilà. Si on fait le semi-présidentiel, jusqu'à quelle limite Le voilà. Mais on explique, on donne le choix réellement au peuple. C'est pas ça qui est fait. C'est un groupe d'intellectuels dont vous dites là, les mots intellectuels là, qui s'assoit ici à Niamey, dans un bureau bien climatisé, <laughs> avec euh, des micros, et bon, ça débat. Ça va, ça vient, et ça donne rien de bon. Parce qu'en fin de compte, tout celui qui arrive au pouvoir, depuis 90 à maintenant, il faut bien analyser la situation tous ceux qui sont arrivés au pouvoir ont eu des problèmes par la suite, des soucis. Et les, populations leur reprochent beaucoup de choses et eux, ils ne sont pas contents eux-mêmes dans quoi ils sont. D'accord. Parce que je vais vous dire, vous prenez euh, Maman Ousmane, il est le président démocratiquement élu. OK Bon. Mais ça n'a pas duré 20 mois. Tout de suite, les divergences d'intérêts, parce qu'aucun d'entre eux, tu prends un programme socialiste à l'époque du Premier ministre président actuel, Mohamed Issou. Maman Ousmane est libéral Le, le, le qui euh, est issu d'une junte militaro-politico. Bon, <laughs> on ne sait pas où le classer. Donc voilà un trio qui arrive au pouvoir. Chacun, dans la Constitution, il est très fort, il est très puissant dans sa position, selon les articles qu'il lit ou il interprète. Oui. Enfin. Vous pensez que c'est ça, que de ça que le pays peut se développer, un pays qui ne peut même pas fabriquer une aiguille Nous sommes là dans ce studio, y compris le matériel nous-mêmes et tout ce que nous portons, en dehors de la peau que nous avons, que Dieu nous a collé là, à la naissance, nous ne savons pas où c'est produit. Et vous pensez que c'est ça la démocratie D'accord. Merci. Nous sommes, merci. Nous sommes au terme de de ce forum. En résumé, on peut affirmer que seul le peuple est apte pour donner un sens à la démocratie. Donc sans lui, la démocratie serait dénuée de sa substance et de raison d'être. Pour parler d'une véritable démocratie, il faut entre autres le respect des règles, l'égalité des citoyens devant la loi, la liberté d'expression et la liberté de la presse. L'information des citoyens et la participation de ces derniers constituent un impératif pour la vie démocratique. Sans la satisfaction de ces critères fondamentaux, aucune démocratie digne de ce nom n'est possible. Dans ce studio, nous avons eu comme invité M. Idé Adamou, acteur politique, membre du bureau politique national du MSD Nassara, M. Tahir Gumba, président du parti Model Maekata, M. Mamassani Adamou, acteur politique, président du parti ORDN Tamamoa, également acteur de la société civile. Je vous donne rendez-vous pour un autre forum du studio Kalangu, demain à partir de 18h15. Merci et au revoir.